Ce qui se passe ici est historique. Ce qui se passe ici est historique. Allumez vos portables. Envoyez un message très fort. Allumez vos portables. Le président Ousmane Sonko, candidat. Le président Ousmane Sonko nous parle. Merci Khadija. Ce qui se passe ici, peut-être qu'on n'a jamais vu une déclaration de candidature à une commune pareille à celle-là. Mais pacte là pour sceller avec la Casamance. Je ne dis pas Ziguinchor. Je veux qu'aujourd'hui nous scellions un pacte. Je vous ai soumis à des conditions. Guénema je dis à la face du monde, je dis à tout le Sénégal, parce que tout le Sénégal scrute la position de Ousmane Sonko que Inch'Allah au soir du 23 janvier 2023 2022 cette ville symbolique cette ville importante cette ville mythique de Ziguinchor aura son sixième maire qui s'appellera... Le 22, le 23 janvier 2003. Après le premier maire que je ne connais pas parce qu'il était un Toubap. Après le deuxième maire, Carvalho. Après le troisième maire, Mamoud Ablaïsi. Après le quatrième maire, mon oncle Robert Sagna. Après le cinquième maire, mon frère Ablaï Baldé. Chor soufflera une nouvelle ère avec un nouveau maire la ville de Ziguinchor n'est qu'un tremplin. Le oh, pacte que je veux avoir avec vous, c'est d'être le maire de la Casamance. C'est d'être plus que maire et de partager avec toute la Casamance, toutes les mairies que nous allons gagner, une intercommunalité qui réalisera des choses formidables pour les populations. man projet bi dépassé na loolu ma daaneel nag ci quelques points